chers internautes et téléspectateurs de GTV nous avons plaisir ànd ak yéen toujours ci concept le rendez-vous manqué du 25 comme nous l'avons fait depuis ce matin nous sommes ay ndaanaan société sénégalaise bi nous avons nga xamante manqué on va dire ce rendez-vous mais GTV a décidé ànd ci ak un programme mais on aussi que ça soit les hommes politiques que ça soit euh, les acteurs culturels que ça soit ñi nga euh, public en tout cas wala Sénégal d'une manière générale ñu waxtaan ak euh, le 25 février bi nga un rendez-vous manqué comme on dit alors nous way gëna xoss ci li nga mom dañu nous nous ak suñu damay déjà Abdoulaye nous mu nuyu ñu alors maa maa ngi nii rek. yaa ngi si jàmm. ça va nii cool rek. rendez vous manqué. ah <laughs> pour yow aussi. yaram bi xaw sumeeku rek. Badou da ngaa bëggoon fa tëj tey. gis nga de. ah fu nekk maa waroon dem ba Saloum. ay eh, waay ba Kaolack laa waroon dem. bureau de vote. yàlla xam ne numéro 8 école Moussa Sow. ah waay maa waroon dem fa tëj. mais gis nga reposé nañ ko mais non def yaa ngi si jàmm ça va ni cool alors Abdoulaye comme ni ma ko doon waxee tout à l'heure bëri na euh, ñoo xamante ne personnalité yoo xamante ne dalal nañ leen tey moo am kenn si ñoom nga xamante ne c'est un artiste c'est un acteur culturel mais aussi mën nañ ne benn activiste entre guillemets tout à l'heure daañ si gën a xuus ci waxtaan boobu euh, ki la ñu am plaisir dalal si plateau à GTV la magie de la télé yow tamit rendez-vous manqué apparemment bah oui hein. <laughs> rendez-vous manqué waaye hein, comme ni ko Sénégal yëpp waxee maa leen mon frère Abdoulaye je nuyu yow maman di nuyu Je gi mhm. ay de venir aussi di fi ñaan et di nuyu Sénégalais aussi et di euh, on va dire masawa ah. parce que mhm. j'aurais fait fait fi di féliciter mais euh, parce que euh, jour bi ñepp fogon nañ ni yi xam nga des ya ngi nit et que voilà rendez-vous le bu bu bu bu am solo mhm. date bu am solo euh, acte bu am solo muy vote mhm. donc je pense que tey tout le monde est attristé de ne pas pouvoir euh, euh, loolu nga xam droit le devoir le droit la nga accomplir je pense qu'on a tous un pincement au cœur mhm. et donc moi aussi si au Sénégal mais justement qu'il y yow bi nga c'est la décision de reporter élection présidentielle de euh, Fossel, cette décision déjà yow mi ngi la euh, mhm. alors nous accueillons cette euh, cette information sachant que né quand même Sénégal a na et que nous, à un moment donné ils se sont dit donc nous toog car le 25 et que nous avons fait changement

Euh, démocrate et pacifiste de dire que ni au lieu que ma def au lieu que ma def laa que soit euh, provocation yi quelle que soit y ma metti a naa dans xam nga booy xaar lu mel noonu surtout notre vote dafa nekk lu lu symbolique c'est am je veux dire dem voter dem dem choisir lors je veux dire rendez-vous le boo xam si citoyen da ngay si ñoo xam dañuy daw ay 300 kilomètres pour dem voter ji kon xon nga vote amna fum tollu nit ñi lu kenn mënul expliquer la ci ci ab citoyen ab patriote donc man personnellement j'étais très surpris de gis Macky Sall président Macky Sall dañuy tere ku wax Macky Sall président Macky Sall jël décision de non mhm. j'étais très très très surpris très déçu. parce que aussi ci base yi ñu waxee ni euh, report je pense comme tous les Sénégalais les Sénégalais sont unanimes là-dessus c'était très très très très léger. Mhm. c'était très très très léger pour annuler l'élection donc euh, donc man yeg yeg que tous les prisonniers yi ma il y avait vraiment une très grande déception euh, après man le président Macky Sall vient de prendre vient de commettre l'erreur de sa vie pour moi, c'était le coup de trop sincèrement après j'étais pas surpris de réaction bien après de l'opinion internationale de tous euh, ses partenaires qui l'ont lâché ça ne m'a pas surpris parce que cette décision là mon moo de la forfaiture de trop pour moi automatiquement perception boobu laa si ah mais parce que bi jël décision bi argument yi mais bon tout ça xam nga man personnellement pour moi tout ça est fabriqué donc gëwuma ko te bëri naa ay morom. li hmm. ñu jox lépp li ñu tégal ci table yi nii ah. il fallait coûte que coûte ben prétexte pour annuler euh, pour reporter ou annuler les élections et ce sont des prétextes des prétextes politiques et c'est vraiment très petit c'est vraiment très décevant nga des millions de sénégalais sen rendez-vous c'est-à-dire y a de ces choses Ken ne ko pas. mais bi tey bu ñu la date dinañ ko def de mais du safe comprendre nga donc pour des positionnements wala pour des intérêts période bi moment ma arrangé sama candidat wóolootuma ko sondage yi ma jot nangam sangam base yu mel noonu warul tax ñu mbubboo ay crise wala créer ay faux crise wala ay suspicion de corruption wala je ne sais quoi pour forcer ay loi yoo xam ne ab majorité bu ñu àndee ku ne majorité mën na ko jàllale ñu dem à l'encontre de bëgg-bëggu Sénégalais yi bëgg Sénégalais yi wàlliw mi ngi ci intellectuel mi ngi ci biir jigéen yaay xale mi ngi ci biir am na ñoo du leen de ces choses yoo beaucoup de répercussions yi daf lay dépasser après donc moi, je pense que ay calcul politique moo ñu yóbbee lii yóbbee lii nii te loolu moo gën a accentuer accentuer sama déception parce que bu ne loo xamante ni pour de vrai nous bëgg sauver le pays parce que y a eu y a eu y a eu y a eu mais ñi dem di wax ay waxi réclamation ñi dem dans dara ci table bi wax ay wax yi ay nit mais ñoñu c'est des gens yo xamné ils ont menti au peuple sénégalais on devait être en colère envers ces gens d'ailleurs il y en a une qui a été en garde à vue l'autre bi indi problème bi yépp ba tax ñu dem défi seen ay vote mais l'autre il a menti aux Sénégalais il est parti il est parti il est parti dire aux Sénégalais hein nous def loo déclaration sur l'honneur mu def une déclaration sur à base de mensonge c'est après avec le temps lañ de lañ doon xam que ni kon kii ci date bimi nationalité exclusive sénégalaise la il savait que c'était faux donc à base de ces gens-là yu wëlbatiku dem porter une euh, accusation sur des juges mm-hmm. moi je veux dire que déjà nous rek seen crédibilité en tant que des personnes yu ñëw mentir un peuple mentir seen ay fans ak euh, militants je pense que avons seen crédibilité Moi, mayu leen woon ñu avons war a mën arrêter suñu processus léegi nag ñu gis ab majorité bu leen si jàppale ñu dem ba assemblée ñu voté loo xam ne l'encontre de bëgg-bëgg Sénégalais yi pour ñëw servir ñu ko de prétexte pour annuler les élections loolu aspect boobu mooy tax euh, euh, euh, annulation wala report élection yi loolu mooy tax mu gën a metti si xol donc man yëg-yëg boobu laa si am je pense qu'on est qu'on est majoritairement ci ci Sénégalais yi même même perception boobu lañ ci am <laughs> alors qui euh, le wax nga ko tout à l'heure nee nga prétexte bi nga xamante ni moom la avancé pour mën annuler li nga xamante ma report bi en quelque sorte dañ na kenn ci candidat yi dafa am double nationalité <laughs> uh-huh. euh, tey rien de mën nañ na bay eu une mousse parce que report nañ élection yi uh-huh. mais est-ce que tey jotul kon donc ñu war nous mën a xoolaat parce que lu numéro aussi tamit water passé inaperçu war nañ ci jël ñàngat uh-huh. peut-être la prochaine fois wala boog beneen président buy ñëw parce que déclaration sur l'honneur la ñu wax xëy na mënuñoo wër aduna bi yëpp mën a xam kii am na mhm. kii mhm. Euh, double nationalité wala dara mais est-ce que jotu aussi tamit ñu xoolaat donc comment faire pour que tey mbir mi ni mu demee ni la prochaine fois bañ ko mën a demee voilà je suis parfaitement d'accord avec toi si li nga wax euh, mais xam nga il fallait mu arrive pour ñu jàng si mhm. xam nga am nañ des candidats spoliés yoo xam ne ni leen spolié kenn d'accord ci niñ ñu jëlee seen ay parrainage kenn d'accord ci ñoom bañ demee def seen dialogue niñ ñu tënkee affaire yi baaxul niñ ko defee baaxul mais ci élection bi lañ ko gën a xamee mais ce n'est pas dañuy arrêter processus bi lañ ci ne ñu ne ñu ne parrainage bi ni ñu ko défé baxul clé yi ñu ko joxé baxul euh, vérification bi ñu ko joxé baxul on note de cette même manière non lañuy noté ci gaay euh affaire double nationalité bi le fait que ñu ne non bu ko kenn dénoncé wala bu kenn défé recours ci kenn la non non il faut que ñu changer ko complètement bo xam ni conseil constitutionnel moom mooy def le travail qu'il faut quel que soit les moyens yi ñu koy jox wala dal ñu wutal ko format bo xamné ci kenn dootul mëna jall entre les mailles du filet donc je pense que dëkk non lay doxé day jubonti, mais do arrêter processus parce que c'est une date républicaine bu calé quel que soit dommage collatéraux ci am dañuy agalé processus bi d'autant plus que le plus gros du travail a été fait il y avait trop de candidats mu dem wàññi candidat bi ak ñu dem continuer nekul né une personne bu tok je ne sais pas combien de kilomètres du Sénégal mon moy non seulement il nous a menti il faut vraiment loolu ñu fatale ñi il nous a menti de plein gré il a déclaration sur l'honneur parce que déclaration sur l'honneur euh, par jour le boo par par fait. donc il l'a fait

mais tant que vous voulez pour relancer la France c'est tax défaut. Vous yitte googu boo France vous avez la sa national la sa depuis 2019 wala depuis 2020 wala depuis 2021 période avez yëpp defoo nga défaut. ba octobre nga ni man relancer la en octobre mais nous, nous avons la tontuwul ci ce n'est pas la faute des Sénégalais est-ce que vous avez est-ce que vous c'est de sa faute parce que bu faites ne octobre leer ne moom euh, relancer la France pour ñu daal ko nangul li nga xamantene moy li mu renoncer nationalité est-ce que mhm. tamit mom c'est de sa faute fekkee légui lutax légui légui li tax relancer wu ko li tax li tax mu baye bu nekk à des mois mu dog leen relancer Les xam tax ma lay wax c'est de sa faute toujours ndax même tax relancer wu leen à deux ans avant à 2021-2022 période boobu nga xamni yow am nga ambition jité Sénégal té li mëna la gal gàllankoor li tax relancer wu leen période bobu non. parce que peut-être amoo woon amoo woon amoo woon ngëm-ngëm peut-être y avait un Ousmane Sonko qui occupait occupait le terrain peut-être jaralu la ko woon bi ñu la jàppalee Ousmane Sonko xëy na ci diggante bi nga ne bon le terrain est libre est-ce que man du ma du ma cest condition lay doon danaa ko dem defi à condition que ma am yaakaar ne damay gagné wala à condition ñu téyel ma diw ba pare carte gi leer mais luñ la mën a wax mooy la faute vient de de toi parce que yow yaa bàyyi ba mu des a dem te xëy na ñooñu seen procédure day durer mois wala lu ko ëpp wala lu mel noonu li tax nga bàyyi ba mu des 3 mois ngay dem di leen relancer 2022 relancé woko 2023 2021 relancé woko nga tok nek ci sa bop nek say business c'est-à-dire que ni nak mënoo nek sa bop nek say business Sénégal nek fi di xeex di dé di jugóog ni nga nekkoon yag chambouler wat suñu affaire lolu c'est très grave ñom ñu dem am sénay député mais la majorité bi leen ci jappalé aussi majorité bi dem jappalé leen ci lolu pour que ñu mën a daaneel seen propre candidat ñom pour que ñu mën chambouler wat waat lépp pour que carte gi delluwaat à zéro pour que ñoom ñu mën changer candidat wala dara lolu c'est insulter le peuple sénégalais kilo nooy gisee justement yaa ngi wax euh, majorité bi nga xamante ne moo nekk à l'Assemblée euh, noo gisee taxawaay Assemblée nationale parce que on a toujours le même problème mooy tout le temps euh, ki nga xamante parti bi nga xam moo nekk au pouvoir moom mooy majoritaire à l'Assemblée mm-hmm. ce qui fait que tout le temps coow dina bëri ainsi de suite mais du tout le temps c'est la majorité qui l'emporte on a vu votre vote bi ñuy voté bi ñuy voté report justement loi bi mais problème bu ngande la nekkoon parce que majorité bi ñoom de toute façon il savait que ni ñeneen lu ñu mënti jël temps de parole en suite Mhm. bu voter, nous euh, ñoom remporté mhm. il a fallu même faire euh, intervenir euh, les forces de l'ordre pour que nous votions. voter est-ce que tamit jotul ñu commencer revoir sénégalais en tout cas en votant ku ñu faisons ba présence. on fait en sorte que l'opposition ait une majorité aussi à l'Assemblée. Oui, oui, non mais ku nekk ci état sax majorité mais député députés, ñoom une majorité. Mhm. parce que nit ñooñu ay une lañ. dañoo war askan bi ay député de ay workat lañ ñu nekk ay <laughs> workat mën nañu nekk député parti mais man sax waxee mu foofu xam fa laa waxee ay workat dañoo ñëw ne ñun ay opposant ko na bët bu muy xoolee nguur gu fi nekk. Mm-hmm. bu doon loolu duñ la ko jox yow dañu dem joxe ko Macky Sall mais dañu koo xañ Macky Sall jox la ko yow parce que jamono boobu opposant nga. Mm-hmm. nga ñëw ci daru opposant sol yëre opposant wax leen li la metti ci dëkk bi ànd ak ay nit nañu lii lañ bëgg a soppi. Mm-hmm. ñooñu jël seen seen carte xañ ko Macky Sall parce que am na luñ bëgg ñoom ñu jox la ko vous on a ko joxee yow nga jël carte ko Macky Sall trahison c'est ce mhm. mooy war askan bi on euh, majoritairement si on dañoo un texte on nous lañ diggoon askan bi on askan askan bi jox leen ay ay suñ Macky Sall majoritaire mhm. majoritaire c'est parce que dafa am dès le début dafa am ñu on a ñi dem une position ñii un intérêt nek fi ñu ne askan ba falon donte li la bëgg ñun suñ parti li lañ bëgg dañuy wor askan bi dem lëkkaloog ñam bañoon a voté ñu lëkkaloog ñom yobul len carte yi parce que ñun ñu voter liñ bëgg jallal jàllale loolu mooy député yu wor sen askan. loolu nak moy problème le peuple histoire le peuple le peuple mooy perdant parce que même euh, parti bi ngay wax muy euh, muy avec le candidat Karim Wade. Mhm. il est toujours pas candidat avec la dernière liste même bi nga xamantene conseil constitutionnel génne nako ko. Mhm. ba tey il est pas candidat. bon mais bien sûr il est pas candidat et.

yàqu ñu mujj ne kon wóolu nañ ko finalement ñu ngi koy renouveler suñu confiance est-ce que Sénégal yi ñàkk nañ fayda pour jox seen confiance une personne comme ça donc les xam nga yaa am fulé ci sa bopp aussi parce que carte gi bu la ko yàlla leeralee yow par par loo tax nanguwoo si sigi après lu la si fekk c'est c'est c'est ta faute je veux dire parti bu boot ab nit ne wóolu nañ ko jàmbaar la homme d'état la nangam sangam biñ nattee affaire yi nattaat ko def ay sondage gis que ne affaire am nu mu demee ñu ne kii ab corrupteur la nañ ànd lëkkaloo ak ñi ko jiiñ ñu rendi ko biñ demee ba gis que ne lii au final askan bi delloo na conséquence constitutionnel delloo na loi boobu noonu euh, il faut obligatoirement dañuy sëgg bëre ñu ne kon renouveler nañ ko suñu confiance mais nit yooyu noonu yow boo ñëwee ne dangay lëkkaloo ak ñoom da nga leen di dénkaat sa mbir yow yaa buggul dara sa àdduna. mais est-ce que aussi damay dégg mag yi di wax naan euh, borom baatu kese du du xeex ak borom cax est tamit. Euh, xeetu xeex bi finalement aussi tamit euh, est-ce que c'est euh, yi wala boog le peuple du moo ci perte parce que vous faites da nga nekk régime boo en face euh, régime boo xamante ne daanaka pouvoir yëpp moom moo ko moom moo ko téye gis nga mooy doxal mooy doxal lépp daanaka ah boo demee assemblée moo fa ëpp moo fa nekk majoritaire. boo demee justice ka fa nekk justice moom moo ko mhm. est-ce que donc dans circonstance boobu noonu peuple duñ dem ba affaiblir ñàkk kàttan pour mën a aussi tamit. mais dëgg la parce que dañ koy wax tu es souverain mais au final il n'est pas souverain parce que au final li politiciens yi bëgg mooy am. tey li peuple bi bëgg du ko am donte mo jëlone batam am ñum ko dégg ñoo dañ koy wor dem def li bu dé ko ci wàllu yoon la waa yoon dañuy xol ñom parti bañ bëgg ni lañ bëgg askan bi sa souveraineté comme li ñuy wax ni euh, euh, la justice est donnée euh, au nom du peuple. bari la décision yo xamé ne l'encontre de li peuple bi bëgg momay momay am comprendre que nit c'est la même chose ñom dañuy dem bu feulé da di askan comme liñu wax li waxtane légui rek mbir su amé askan bi mo ciy jang yalla dalay jox chance rebattre waat carte yi ba bu ëllëgé candidat bu ngeen am wala mais mom mu soppi affaire bi mu bi

disque war a changé un peu dem ci ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo jëm ci euh, ñi lendemain politique maanaam ñi nga xamantene ñom ñoom way politique bi. Mhm. xam nga nit mom amul lu yaakar comme ni nga waxe bu nit ñëwé ak surtout circonstances yi ñu defee am ay morts am ay des sacrifices am un un président qui est né après l'indépendance avec un discours bo xamni ça allait en phase avec révolution bobu nonu nit ki yaakar kese lay am légui nak politiciens ñom ñoy jadd ñom ñoy jàdd ñom ñoy diggé li ba askan bi daal ne alhamdoulillah li lañ doon ñaan ñu xolaat sen dugg ci politique nguur neex ñu commencé soppi woné banen xar kanam légui askan bi il est pas victime hein. askan bi il a mené le combat il a perdu de de il a perdu des vies des vies humaines il a perdu de beaucoup de choses pour que mu foogoon ni révolution il tient sa révolution euh, sa révolution finalement mais il s'est fait duper euh, donc askan bi victime là au final politiciens yiñ bot ba yobulen au prix de notre sang au prix de nangam sangam ñoy ñewul ba di wor len légui nak li ci mën lek moy nga jang ci ci aussi parce que da ngay changer ba yam sur le bon affaire yi non la politiciens yi na ci ñoo xam discours la ñor ci ñoo discours buñ la ko nga defal li nga mhm. comprendre mais nak ci kaw erreur yoy ci kaw erreur de choix yoy non ci kaw euh, euh, le prix du sang nit ñi di nit ñi di ci ngay essayer parce que le peuple est de bonne foi. peuple bu ken bëggul ci galère ken bëggul dund ci misère peuple bu dé bu choix am rek donc il est pas il est pas euh, coupable de rien tout il est victime il a été dupé par une personne bu a une ko image une façon de faire Nous, ñun depuis Mamadou depuis indépendance on attendait vraiment ben jeune parce que xale né après l'indépendance jàngee ci été mi jaar ci ndomb tànk yi ba ñëw kenn ah, heureusement et puis il tenait le discours qui qui qui qui allait avec mais kooku aussi bu demee mu yàgg mu la la patrie avant le parti mu dem dit, deux ans après ñu commencé à mu soppi kanam complètement au lieu que mu désigner du doigt askan bi man c'est les politiciens encagoulés yuy ñëw di nax peuple bi ñooñu laay gën a gën a mais peuple yi daal lu mu mën def rek mooy jëlaat du recul bu ëllëgee bu nit ñëwee ay ay euh, wax mu bañ a ci discours parce que ba pas dafa yemoon ci discours xoolul parcours. Mhm. discours nax ko mais bu ëllëgee na jël discours tek ci parcours. tek ci intégrité. bu ñu xoolee Macky Sall président Macky Sall boo xoolee parcours si tamit ci yooyu jamono si da naan kii am na part parce que déjà il était jeune. Mhm. boobu da nga doon dégg ñun wax naan. Sénégal dafa changer soxla pour ñu changer de régime. Mhm. changer de personnalité changer parce que dañ dox naan à l'époque PS moo fi nekkoon après PDS ñëw. Mhm. donc ñu ne ñooñu ay mag lañ. Mhm. il fallait que ñu am un jeune. moom tamit ci parcours aussi mu nekkoon un homme d'État état entre guillemets. parce que dund état nekk na ci état bu fekkente ne ci cadre social aussi am na jaar-jaar boo xamante ne nii. xëy na war na mën am benn ñeewtal parce que boo juddee ci benn famille wala nga am benn jaar-jaar bi. xëy na nii dañuy ni peut-être yow nit ki li muy

constat mhm. dialogue bu amee mooy il faut que ñu waxtaan ba juboo ci ci ci élection mhm. bu dee amul après le deux Sénégal nan la sa sa gis-gis sa xalaat sa jàngat nan la war a mën a bu dee dem nañ ba le deux amuñ trouvé consensus wala boog élection yi jàppuñ ko euh, entre le le le deux ah alaakulli xaal moom bu ñu àggee ci date boobu pour man xëy na xam nga affaire sax mu doo ko mën jiitu parce que da tu la fay jugee lay jóge ci dialogue bi mooy mooy mooy mooy kii loolu mooy tënk loolu mhm. Macky Sall mom le 2 dootul nek président bi xëy na nag ki koy nekk ci transition wala dara le 2 wala moom ñu am la date bala le 2 ça aurait été l'idéal ñu am date bala le 2 ñu jall élection yi mu jall mais ba le 2 moom Macky Sall jeex nak Sénégalais te symboliquement euh, ak ak ci walu principe ak ci walu respecter principe républicain le 2 une minute waru ci tégué donte dañuy nek ci benen posture jël réew mi mu am transition wala une personnalité bu ñëpp désigné ñëpp andando def consensus pour mu organiser les élections mais Macky Sall warul togat une minute ci palais palais bi à partir du 2 comprendre nga loolu day tax ñu xam que yokku ñu ci mandam 2 secondes wàññiwuñ ci mandam 3 secondes et principe bobu dañ ko wara respecter et je pense que si si dialogue bi ñu jëm ni bon écoute il va falloir aussi ñu xoolaat kan dialogue parce que dialogue bo xamanteni si nit ñi parce que déjà bëri ci déjà ci candidat yi nga xamanteni ñom ñoom nañu ci parrainage ñoom ñu ci bari. ñu regroupé ci F25 ñoom ne duñ dem ci dialogue bi. maanaam majorité ci candidat yooyu. gis naa société civile aussi ñu bari ci société civile te ne dem di dem ci dialogue bi. à la fin dialogue bi ñoo ci war dem ñooñu tam bu demee tënk est que. J'espère vraiment est-ce que nous problème un j'espère vraiment que du def dialogue avec ces gens parce que le dialogue ba passé c'est la même chose la majorité des politiciens de nga woo ay sëriñ Dakar train ay yenn kilifa yenn dialogue dialogue ce n'est du dialogue au peuple Donc, le dialogue c'est un dialogue politique les personnes euh, concernées ils sont ci Les gens toog léegi li ils pensent que ni Macky Sall avec eux. Mhm. parce que si vous que ni dafa ñëw xam que ni dugg nañ ci pétrin pétrin bi c'est lui le responsable déew maa impasse et que xamna kani que de na changer situation bi même sous len dee ci dialogue day xam que ni écoutez on est dugg nañ ci ñu ngi ci biir déjà légui qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce qui reste à sauver ñew lañu jël date ñew lañu jël une personnalité neutre mu organiser élection yi ñew leen ñu def li conseil constitutionnel jallale une liste liste boobu on va la valider wala on va aller wala mu wax lu nit ñi mëna dégg mais ça dit que les petits bi mu leen wo woo les spoliés wo la li wo la ñu duggat ci beneen pëccxoo dialogue les gens les gens au début les gens ils sont pas contre le dialogue mais dafa am ci l'as ni wo mais les gens ils ont l'impression que ni Macky Sall joue avec le temps wala Macky Sall joue avec euh, li mu mën créer ci dialogue bi pëccxoo boobu mën am les personnes préparées à dire non à à Saltel ba nga xam du am consensus ñu conseil constitutionnel affaire yi pëccaku ñu ne bon au final xam ngeen lan euh, processus à zéro pour que ñu ñëpp mëna a amaat c'est consensus qui le dit hein, actuellement parce que euh, suñu le Sénégal dafa am vraiment crise de confiance mhm. déjà entre euh, une partie de la population avec déjà la justice une partie de la population avec les hommes politiques en de suite et même les les hommes politiques entre nous, mhm. même ci oppositions opposition bi ne ils se font pas trop confiance donc est-ce que ça va être facile de trouver de retrouver de trouver justement un consensus qui nous permet de, de faire cette transition Bon, l'autre c'est vrai. Opposition, tout le monde sait qu'il y a des vrais opposants, il y a des faux opposants. et là, pour que consensus soit def def bloc beaucoup wax day compliqué il mm-hmm. Il y a des gens qui sont des mercenaires Ils sont pour euh, tout le temps pour semer la zizanie pour que les gens ñi ne soient ñu en division c'est am compliqué pour que les ñi puissent aller de l'avant ou trouver des consensus parce que nous avons beaucoup objectifs mm-hmm. certains dañuy trouver solution solutions d'autres dañuy bëgg des problèmes problème et ça, c'est problématique. Donc, mm donc, donc, pour moi, ça va être compliqué. Si diggante bi ñu nek ni su nit ñi démon dialogue xeyna ci dialogue bobu nonu ak sen fermeté ak sen ay exigences peut-être dina am sortie de crise mhm. parce que bu ñëwé date né Sidiki Jabala xoma du def élection yi du ko organiser ñun on veut benn personnel nous xam ñun ñëpp dañ koy def confiance fichier bi dañoo bëgg nangam ak sangam sangam nous ñu waxtaane sur la date très rapidement ñu fixer une date ñu attendons les choses yi nga xam ne moo doon tax embrouille di am ci élection yi ñu waxtaane ko je pense que bu nit ñi amoon nous rassurer les je pense que l'Union européenne a dem dialogue. est ce ils ont peur d'être piégés. est ce qu'avec le recul on ne peut pas taire aussi le fait que Amna na si en dehors des pertes de vies humaines ainsi de suite mais Amna aussi des sénégalais ont des pertes ci euh, ay pertes économiques. des mhm. yu yu ngande demoon ba les certaines personnes dañ sax doon ragal génn ci mbedd bi wala parfois bu ñu wootee manifestation les gens restent chez eux ba dem liggéey en dehors de ñi nga xam ñu ngi woon ci mbedd est-ce que aussi radicalisme boobu tey avec le recul euh, ça pouvait pas être mieux cher Le radicalisme à quel niveau ak si si naka. si engagement que ça soit sur le terrain que ça soit par rapport même au discours. de qui. non man man sama posture mooy posture moom mu sa amee mooy xam nga euh, fu jamono toll li jamono ji laaj ci foofu laay waxee. comprendre nga jamono ji ñun li ñu waxoon rek ton bi ñu amoon jamono ji loolu la laajoon y a eu des abus ñun abus duñ ko seetaan Sénégal injustice xalaatuñ ko seetaan Sénégal ñu joxe suñu bakkan bi moo ñu gënal ñu toog noppi ay tooñ noppi ay jaay doole loolu amul Sénégal ñun fu ko fekkee dañuy ñëw dénoncé ko nga kontaan nga bañ a kontaan suñu yoon nekku si li ñu amoon solo mooy buñ dee ba tëdd suñu lal nañ xam que ni xeex nañ pour dëgg am pour justice am comprendre dëkk bi ni mu doon joxe joxewul ñoon ak doomu aadama yi respecté wuñ ko respecté wuñu loi yi ñu tëgg ñi ngi doon agressé ay nit ñi ngi doon harcelé ay nit kuy dem sa nemmeeku tour ñu topp la harceler di la ko def ku toog toog sa biir euh, permanence ñu fekk la sa domaine privé na la doo ko fi defee ku bëgg a marche ñu xañ la seen marche parce que li ñu doon bañ mooy muy ay am am ay scène populaire yoo xamante si nit ñi gis nañ que ni les sénégalais sont sont décidés maintenant ont décidé mm-hmm. maintenant ils sont ils sont voilà ils sont contre le pouvoir wala dara mi ngi am ay rassemblement parce que gis nañ depuis rassemblement F24 ñoo xam ne lii bu kon jub mais loolu l'administration nous nga xamante ils sont apolitiques politique. ils devaient pas jouer le jeu mais systématiquement dañ don dañ un téré ay euh, ay après on nous sort des choses on nous sort des rebelles qui sont là qui se sont évaporés dans la nature on nous sort tout comprendre nga day xam kenn mosu leen ay xam nga y a eu l'épologie, ça fait un peu lu waral et Sénégalais aussi on veut ñun tok di naxante suñu la réalité elle est là tout le monde moo si kenn naxul ce qui s'est passé ici dans ce pays c'est trop euh, euh, récent pour que ñu mën koo déformer wala ñu mën koo nettalee naneen li xew ci dëkk bi moy dëkk bi dëkkatul won état de droit dictature la ñu doon dund et puis la la justice doxalul won tëdd ñaxanaay bi waroon tëdd ñaxanaay ay opposants dañ leen fi tek fitna leen pour wane que li déstabiliser réew mi ci at yi fan la jóge jógewul Ousmane Sonko c'est vrai ou c'est pas vrai ci Ousmane Sonko la jóge lan lañ ko jiñ viol fan la affaire bi mujjee corruption de il faut arrêter dans quel pays on va dire <laughs> ça et puis nous les intellos les sëriñ nous nous ñu ne les dañuy les nit ab leader bu millions de personnes dañ koy tëj pour corruption de la jeunesse Alors ah, les jur pour yow xam nga la les fitna les fitna les ñu les la nga wax les le ton c'est pas ça Comment les nga que les les premières personnes yi affaire bi fitna parce que bi fu affaire mu que y des morts dans ça y a un pays divisé dans ça

mu am ay aveux ay audio yu génn ndaw si expliquer nan la affaire bi demee ay lépp leer ay gynéco yu laaj nit kañ ngay ñëw suba lépp leer ci bopp sénégalais et puis on a foncé comment tu peux jouer avec ça et puis tu t'attends à un Sénégal paisible où les gens sont tranquilles où l'opposant day ne la vas rendi leen nangu ak ñi mais il faut rêver les gens vont refuser ça mais et euh, tout ce qui s'est passé mooy les gens ont refusé la personne en question a refusé du ngeen ma rayee noonu dootuñu ko nangu le mortal combat ce sont des termes ce sont des termes moi ça dit que ni Sénégal bii day arrêté. Mhm. ce façon de Sénégal là. si xam police wala say justice wala say qui tëj opposant élection bu gagné ce Sénégal là ce sont des termes qui ont utiliser les gens vont essayer de tourner contre moi, parce que l'hypocrisie moi, la que qui ay di manifestation aux États-Unis des manifestations où il y a de la casse où il y a ay milliards de dollars des milliards d'euros dans les Champs-Élysées euh, il n'y a pas de mort ici on dit tchat tchac pam pam pam dee trois dans le Bignona trois dans le kii trois dans le coloban. ñu ne papa ñu ne pam pam pam au lieu de parler de ça les gens viennent nous dire comme li nga les pertes matérielles les pertes matérielles mais c'est indécent de parler des pertes matérielles si on voit ce qui se passe ce ne sont pas des Américains des Russes ce sont des Sénégalais ay xalé yu ndaw lañ doon xañ sen avenir de di len tirer ay bal ñuy dee auto di jaar sen kaw ak yeneen ak yeneen au lieu de parler de ça on veut nous forcer une histoire de il y a eu quelques Auchan qui ont été euh, qui ont été qui ont été euh, saccagés euh, ou euh, quelques oui victimisés ou oui qui dafa demoon lep neuf cent mais lañ alors. mais je veux dire minimiser quoi mais je veux dire à côté de ce qui s'est passé les gens ne voulaient pas doute ah. Baram sur ce qui s'est passé xam nga tax bëgguñ doute ah. Baram. Ah parce que ça lol bo ci waxé da nga montrer da nga mettre à nu montrer ce qui est en train de se passer et il y avait un silence complice de ce qui s'est passé ce qui était en train de se passer Moi, dafa ne lu nek di xew nit ñi di jalgati yoon di ñuy a pas ay nit di accuser gratuitement di len barricader sen ay illégalement nous le les Sénégalais doivent laisser ça passer nous la justice doit laisser ça passer nous les voies autorisées doivent laisser ça passer Alors comment on va l'expliquer après il dans l'histoire wala nek day ben benn page bu bu noir rek bu ñuy neub bàyyi ko mu jall mais lool xew na fi mais lool mënu and ak instabilité lool mënu ñak and ak boy jug fipp mënul ñàkk a ànd ak ay manifestation chaque action entraîne des des réactions mais li ngay wax ni kilo ça me permet justement d'aborder ben ben sujet bo xamantene ne président Sall wax nako ci ci dernier discours am bi mooy la question de l'amnistie et ce qui pose problème justement aux aux, aux gens moy quels sont les faits qui doivent être justement effacées euh, par rapport amnistie. à cœur voilà parce que li ngay euh, c'est des choses yoo xamante euh, les victimes que ce soit les familles nit ñi nga xamantene ñom ñoo génn adina que ça soit les blessés que ça soit même ñi nga xamné ils ont fait des mois voire un an ou plus euh, dans les prisons et que ken jugé wu leen ñoom bëgguñu amnistie bi parce que ils se disent que ne la vérité doit être euh, doit être claire. Euh, peut-être une euh, une dernière question bala muy dugg ci bo sax mu mu yóbbaale ko jop rek ci 25 bi tey taxawaayu conseil constitutionnel parce que jàpp na ni euh, mom waro na mëna a yeewi askan bi bu yàgg puisque ni même bu dialogue amee après dialogue bi mom day delluwaat ci mom n'est-ce pas est-ce que jarutoon rek conseil constitutionnel qui keroog comme discours ni mou annulé li nga xamante ni mooy décision du jógee ci euh, assemblée mu ñëw taxaw man en tant que tey peut-être qu'on xamante ne tey jii am naa sañ ma une date date date ñuy mais après après aussi état mooy organiser élection ça va être compliqué. si si état mooy organiser élection mais te bu ñu fàtte même dialogue bu amee aussi tamit il faut que mu delluwaat ci conseil. C'est un amul consensus voilà bu un consensus c'est-à-dire que même aussi tamit bu ñu consensus aussi tamit c'est-à-dire que quel que soit alpha Mom, dañ ci impliqué conseil constitutionnel. Mhm. c'est ce qui s'est passé avec euh, assemblée nationale bi ñu defee vote ba pare te dégg nañu président taxawoon avant le 3 ne man d'ailleurs avec le président du conseil constitutionnel. Mhm. le président de l'Assemblée nationale daje ça veut dire que moi la ci mhm. mais euh, conseil constitutionnel ci affaire bi nii mais waouh waouh non non non moi je pense que le conseil constitutionnel taxawaay bi mu des taxaw ay lacunes ci parrainage ci euh, processus bi. Mhm. ci vérification yi côté yoy nonou yoy côté des mom wax il yalla c'est à refaire te xam nañ que ni ëllëg ñoom dañuy xoolaat seen bopp président fii ñëw dina teg disposition yi war côté boobu ñoom dañuy am ay faible kii leneen li ci des la décision qu'il fallait casser ñoom cassé nañ ko ils ont pris leur responsabilité mhm. cassé nañ décision boobu noonu candidats yi nga xam defuñu dara sont des victimes Macky Sall moo annulé affaire bi ñoom ils sont devenus victimes delloo na leen seen àq ñi nga xamante ni processeur bi génne woon na leen moom bàyyi na leen fi mu leen war a bàyyi ne waxtaan leen ngeen trouver une date entre vous lolu ne trouver une vous dégager donc le Sénégal la Sénégal di xaar xaar def ko. Mm. def trois euh, euh, euh, malfaiteurs yu la la mais da ngay li Sénégal Sénégal qu'ils attendaient par rapport au conseil constitutionnel conseil constitutionnel les les candidats concernés ne bon moi je pense à cette date pour dire vrai ah bu fa duggoon je pense à une date mhm. vu que ni avons validé je pense à une date ah, je vous propose cette date mhm. qu'est-ce que vous en pensez entre vous ngeen waxtaanee ko bu ngeen président bi nga ni jël décision organiser les élections date nangam. voilà c'est ce que je voulais dire en fait. oui au minimum vous proposer une date avant que au lieu que mon, voilà dem leen concert. ah waaw mais c'est au président aussi de de de faire le décret. au minimum ça euh, de la tax à mon avis.

léegi nak ñi nga xam validé wol lañ leen ñom dañuy xam la carotte qui est derrière ce, sa dialogue ñom bu ne demuñu dañoo xam que ni lan xeexoon ba am ko ñom la gaay bëgg remettre en jeu. loolu tax mo doon la dialogue nak bu sincèreul wolante wu leen comme li maman wax ku ne xalaat na que ne yaay une carotte derrière il va être très compliqué que nit ñi juk dem ci ce dialogue wala bu nit ñi en tout cas li nit ñi demul mom je pense que il va y avoir beneen démarche mais Macky Sall sañul ci li ma gëm. dialogue gi ak Boun Dionne ak Idriss Seck la même clique ñu ne dañuy dialogue seen biir c'est impossible

ñi ci dem ñi ci dem ci juge yëpp dañ leen bàyyi ñoom ils ont pas fait lu ñu même ñi si gën a grave ah, tey jii boo toogoon ñu yóbbu la ci ay ñoom force spéciale man ak ñoom Mor commandant ñu doon toog maa leen nuyu au passage ak euh, ñoom Abdou Aziz mais koo ci toog xam nañu wax suñu WhatsApp bi ñuy waxtaan groupe ni le tout force spéciale la koy de c'est trop léger pour être terroriste quelles que soient vos intentions xam nga un euh, groupe euh, whatsapp gars dañ koy infiltrer bu ko infiltrer day kenn ñew rek ne vous la def rek kenn fekk ko ah ñu intention bëgg la sur les intentions yo xam se da nga doon Vous ci ab groupe whatsapp mhm. du terroriste nañu waxante deug il faut pas exagérer les choses c'est pas parce que da nga bëgg a dissoudre ab parti que da ngay jël ay sénégalais nga taylé leen mm-hmm. taylé sen sen petit délit yu ñu def ci ay groupe whatsapp wala ñu xañ ju lo xam ils ont même pas l'intention de le faire mm-hmm. nga bëgg leen jaay comme des terroristes nit ñooñu bo leen waxon lu ngeen bëgg dañ naan nañ dem ci justice ñu atté ñu mm-hmm. man ci whatsapp la nekkoon sama xarit di wax biñu ki waxé li mo tontu ko lii mais man defuma dara rayuma kenn j'ai jamais posé de bombe ñooñu dañ leen di libéré wala bu leen tej sen seen peine tëdd nañ ko par parce que les forces spéciales def nañ danaka 2 ans ci kasso bi donc euh, amnistie quand kan lay arranger c'est quoi derrière cette euh, Amnesty pourquoi muy insister ci est-ce que mon nañu juboo sans sans ça sans ça parce que c'est pas obligatoirement hein, je veux dire est euh, des gens qui ont fait des des actes extrêmement graves il ni y a eu des vies mais moi je parle même pas de pertes matérielles seulement pour dire vrai un pays mom wax deug yalla bu tollu fi ba am ay pertes humaines moi je viendrai pas ici parler de de de de de de de perte matérielle donte xeebalu ma kenn ce problème mais dama ne dafa lépp lu gis dafa am quelque chose bu ñëw effacé ko des vies humaines des gens yoo xamante si ils étaient derrière ça des gens yoo xamante si nii xam nañ lu mu am des morts comprendre nga loolu yëpp nag bu ñu un jour dañ koy dañ koy effacer bien vrai que djubo ñepp ko bëgg dal ñepp ko bëgg xol naka lañ defalé xol ñepp ko bëgg mais pas à n'importe quel prix. Mm-hmm. ren nañ ko c'est vrai mais tollooguñ foo xamante si nii quand même. des gens il y a eu trop de choses il y a eu des enquêtes du gars des di xaar yóbbu ñu leer nañ leen nañ ñu leeralal arme yi ñu wax dañ koo jënd nañ ñu leeralal xam nga ni fi waxee nervi yi ñu doon gis ñu yor ay nangam ak sangam te dara parce que nous avancer sans savoir buñ ko buñ ko effacer ni tu vas tu vas toujours te poser des questions mais ces gens là ils étaient avec la police ou bien c'était une bande une milice wala c'était nangam tu te poseras des questions et puis yow day am ay zones yoo xam si xam nga tout le temps day daf ñuy dabaat parce que ëllëg kenn day ñëw fi bëgg doon pi ñu ne ko yéen yéen fi indi won li alors que xam nga fi mu buñ ko attee leeral ko dinañ xam kan mo kan kan mo def lan mhm. et dans cette histoire man je pense que l'histoire d'amnistie là va profiter plus aux gens du régime mhm. qu'à boy yi génn bërki dem né dañ ma ramasse banana la doon jëndi wala dama doon manifester géejawaay wala man ki dama doon manifester eh, eh, eh, bo leen yobbo ci kanamu juge juge bi dañ leen di baye

ñenn politiciens yu jubadi yi wala ñu amul euh, njàmbaar dañuy bëgg ñu ne ñëpp a yem ñëpp ñu am na ñoo xam ne génn nañ di wax pour bëgg dugal ci bopp xel yi nit ñi mais tey jii euh, président Macky Sall bu bëggee wax ak Ousmane Sonko obligatoirement dina am ñu dem ci Ousmane Sonko. waaw ah, c'est obligatoire trois heures du matin lañ fay dem wala wala deux heures du matin wala trois euh, c'est pas ça qui est important. Ah. ce qui est important mooy lan la ko Ousmane Sonko di wax. Ousmane Sonko ne dealera jamais sur le dos du peuple su ko doon def def na ko bu yàgg su ko doon def bañ ko woyé mu dem loolu effacer ay ay ay kiyam amna ay sàcc yoo xam ni dialogue ba lañ dem xamni xamni lañ leen doon diñ sàcc bu ñu demee dañ koy effacer te bobu Ousmane mo leen gënoon jekk ëpp leen popularité bu doon génn à tout prix wala free à tout prix wala am xéwal à tout prix bobu lay dem def ko ñu effacer ko ay affaire yu ñak fayda ay diffamation ak affaire yu demee non mais au de ces principes il l'a pas fait je ne dialogue pas pistolet sur la tempe la wax

wala di def ay ay compromission Ousmane Sonko bu doon def loolu def na bu yàgg mais maintenant bo ñëwee dina la wax moom lan la xalaat ci réew mi nii laay doxee du ma doxee nii nii doxee ñun ñi ko xam xam ban façon nit la il ne fera jamais ou prendra jamais des décisions yoo xam ne bu ñu taalee ramp yi dañuy rus. comprendre nga donc man à ce niveau là j'ai aucun problème. j'ai aucun problème maintenant quand on parle d'amnistie c'est pas pour peur amnistie Ousmane Sonko n'a pas besoin d'amnistie qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a été jugé est-ce qu'il est coupable il est coupable de quoi est-ce que il risque il a rien fait li ñu ko teg ci kaw kaw lépp ab sàcc téléphone lañ ko yóbbu kaso n'est-ce pas. ah mais mais mais bu mi taxaw keroog di. di waaw non mais non procureur bi indi ay vidéo am teg ay vidéo ah, am mais non. mais non mais am na procureur bu fi génnoon wax ñu ay kii procureur génn am na procureur bu fi génnoon wax ñu ay rebelle am na procureur bu fi génnoon wax ñu ay rebelle 33 rebelle xaw ma lan rebelle ñu jàpp ci benn nit bu doon jënd benn xar xaw ñu rebelle kër ko kër bu en rebelle nous nga xam conférence de presse un truc vraiment sérieux et vraiment officiel Anne il faut pas déconner quoi nous on sait ce qui se passe tous les sénégalais en ont leur perception ça ne sert plus à rien que nous tourner autour di faire semblant alors comprendre liquidation charger un dossier beaucoup de kërëb qui ne l'a pas fait bon opposant mon taxaw chef de l'opposition son son adversaire ne ko boo fi jógewul dañu lay génne palais qui ne l'a pas fait c'est le langage des politiques. partout au dem Sénégal les mmh. politiciens noonu la ñuy waxante seen biir soo bàyyiwul li ngay def dañu lay génne palais même le Cheikh Niass là il a fait il y a même pas longtemps <laughs> là beaucoup ak celui qui pose des actes dem jëndi des armes armé ay nit pour ñu jubali palais kenn moo ko def y a des gens je vois des débiles nous dire non nous nous euh, euh, marcher sur des cadavres pour aller Qui l'a fait Ousmane Sonko di dem quartier di Sur des sax a day gars gars day numéro 2 mooy gañe bu demul kon kooku soxla quand on ci ay cadavre kooku buñ tegoon affaire ci de ci vote Sénégal Sénégalais, lépp transparent da ils ne au premier tour ils le savent donc quand on parle de euh, jël un mot utiliser ces mots yow la mhm. la mots mais ban sénégalais moo yeewu waale Ousmane Sonko entreprise terroriste Ousmane Sonko appel à l'insurrection Samuel Doe dañ koy ban Sénégal moo yeemu yeewu Il tey la nekk kaso tey la ko mag il sëriñ seeg imam yeeg ndong sëriñu daara yi doomu daara yi diaspora bi bëgg nit ñi les gens ne sont pas bêtes alors, aujourd'hui, on est 25 février et euh, officiellement, c'est un rendez-vous manqué pour la euh, population sénégalaise. Nous avons au début. donne euh, justement, pour maintenant passer à une autre étape, vu tout ce qui s'est passé au Sénégal, euh, de, on va dire de 2021, 2022, 2023. Mais sous dernier, il y a d'autres cas d'hommes politiques qui ont au candidat. aussi, ils ont eu maille avec, avec la justice, vers tout, surtout les élections de 2019, japonais comme euh, ce qui s'est passé avec Ousmane Song, c'est ce qui s'est passé avec Niam. Le rendez-vous, il est manqué. Euh, bi président bi di di décret pour euh, reporter justement les élections dafa ne crise institutionnelle dafa am mhm. ñu bari avait pas de crise institutionnelle puisque tout marchait mais finalement on a l'impression que tel le 25 on est dans une crise institutionnelle parce que on sait plus qui va prendre la décision entre euh, le conseil constitutionnel l'assemblée nationale avec leur fameuse loi mais aussi le président qui demande une dialogue bo beaucoup beaucoup ne veulent pas justement participer may aussi ñenn ñi ay fi dem qui ont lañ leen alalu réew mi wala amé ko droit ko ci réew mi ak ay conviction politique am c'est très très différent na nit ñi di jox ku nekk sa mérite mu bëgg euh, nous sommes tous victimes hein? datu 25 cinq bii ñun ñëpp ay victimes lañu tous les Sénégalais sont victimes de décisions ils ont une crise de parti un problème de candidat un problème de choix Vous kenn jaawale affaire yi dox ci crise mafieuse conseil conseil la ngi nii di liggéey di dox ni dox non finalement je veux dire c'est-à-dire que avant ñu jël justement même ba léegi nii avant ah. ñuy décider de reporter les élections waaw tout marché en fait mais conseil constitutionnel def nañ ñu euh, mais même ba tay ba tay assemblée mi ngi dox <laughs> non non mais je veux dire euh xam nga bu période bobu noonu conseil constitutionnel mi ngi doon de recevoir na les candidats def na choix en tout cas euh, xool na dossier yi validé na ñi dem élection on avait une date on avait déjà euh, campagne bi jàppoon nañu euh, tout ce qui est processus électoral c'était en marche mhm. xamoon nañ ban jour la la campagne de commencer bonjour jour lay arrêté ainsi de suite temps d'antenne même on avait même fait le tirage au sort pour savoir temps d'antenne bi comment ça va se passer tout donc tout marchait en fait mhm. mais depuis bi ñu décidé justement la ñu dugg crise la ñu dugg voilà loolu laa bëgg non je suis parfaitement d'accord avec yow mais sauf que nekkuñ ci crise détruire institution yi rek la bëgg ñu d'accord ko mhm. tu as raison ci crise la nekk instant bi ñu ngi ci crise parce que dara gënul graaw président bi def def euh, entretien le lundi dañuy def euh, dañuy def euh, num mu dialogue et que dialogue bi la suite ci lay découlé mhm. ñi ëpp ci ñooñu ne ñu dialogue ñun on est dans dans dans l'incertitude totale mhm. ñun instant bi ni donc ñu ngi ci ñun ñun ñu ngi ci bu ñuy wax waxu crise instant bi ñu ngi ci crise crise bi nak ñom ñoko créer créé Macky Sall ak ñum andal ñom ñoko créer crise bi ñoom ñoo créé crise bi instant bi ni ñun amuñu won crise même crise ban jéemoon na créé sax ki dako ko désamorcé conseil constitutionnel da désamorcé Sénégal yépp ne alhamdoulillah mu né nanguna li conseil wax mais après légui instant bi ni li waroon nek euh, euh, solution mo commencé di nek problème parce que dialogue bi ñi wax ni demuñu est-ce que Macky Sall osera faire un dialogue avec ñatti doomu ndayam yu ne dañuy dem <laughs> bu défé dialogue bobu dialogue kan la bu demul impasse bi moy bu ñé demul kañ légui quelle va être maintenant beneen démarche est-ce que des gens wala day ay émissaires nous dem cette opposition pour nous waxtaanaat laaj lan def est-ce que au final day am ñu convaincre opposition d'aller à un dialogue bien précis avec un terme de référence bien connu moo d'ici lundi ou mardi ou je ne sais quoi on est dans l'incertitude totale mm-hmm. on est dans le noir te loolu crise est-ce que le diamant ci juddu est-ce que ay moo ci est-ce que Macky Sall day forcer ben affaire yoo xam gars yi d'accord ci ñu wàccaat duggaat ci ben genre euh, euh, tooxi doona bu kenn xamul wala est-ce que au final euh, dinañ trouver une solution kenn xamul instant bi ni Sénégalais mi ngi dox dans le vent xamul ci lu mu nekk xamul ndax day dem élection xamul ndax xeex day amaat xamul ndax ay moor day amaat xamul ndax Macky Sall mi nga xam se ni il a pratiquement fait fait en tout cas ne culpa sax defu ko parce que mi ngi jéem défendre bon toujours mais au moins soit na baisse na d'un ton rek est-ce que day dem jusqu'au bout de sa logique est-ce que day dem jusqu'au bout de sa logique bañ a les gens yi xam sen intérêt la ñuy parce que am ñoo xam ne bu ko def bul def li bul bàyyi ki bul lii ñoo ñom li ñuy xalaat Sénégal la dans la tourmente day nek ci une parce que ñom lool lañuy dundé dundee Sénégal lañuy dundé Macky Sall bi nga xam touram kassa lañuy retenir parce que tous ces gens là ken xamulen ñom c'est des gens yuy dundé deretu Sénégalais mais quest ce que Macky Sall nak mom day dem au bout de sa logique quel que soit ce que ça va lui coûter le coûter par thème ou wala si réputation mon en tout cas man j'ai commencé le processus de paix de réconciliation j'irai jusqu'au bout de ma logique est-ce que ci loolu lay nek wala ay calcul politique day tax mu delluwaat ginnaw ci ay idéem mhm. ba chambouler wat la problème le problème mu nekkat aussi un problème entre mom entre mom ak l'opposition personne ne sait ce qui va se passer kenn xamul <laughs> alors on y va pour la dernière question concernant le 25 février euh, Jay, je te laisse ou bien. non allez-y alors tu as euh, un message à faire passer au présent salle parce que jusqu'au 2, 2, 2 avril euh, moom mooy ki nga xamante euh, président de la république mhm. et euh, comme ni koy les présidents prédécesseurs defee maanaam dem ba nga xamante ne élection kat am na gagné nga jox ko nga jox ko lengay te soo amoon euh, message boo koy les moom en tant que garant de la de la constitution comme on le dit euh, lan lay nekk bon dinaa ko wax encore un autre dinaa wax mu am humilité reconnaître ses erreurs mu que ans il y a certainement un lot de de travail bien fait dedans lot de victoires remportées, mais il y a son lot de défaites. aussi mhm. il faut même humilité même les prophètes sax ont des dem même si nous avons des gens qui ont ci jël tàkk leen des dindi fii loolu des défaites, mais di nga am ay période yoo xam des ni mbir du défaites. ni nga mhm. lépp 100 victoire man koy humilité il a gouverné il a eu des points yu mu réussir il a eu beaucoup de points yu mu échoué mënul garder sa réputation intacte il faut que mu am ay points noirs il faut que mu am aussi ay moments de défaite il faut que mu am aussi des choses yoo xamante si ni hein, euh, day un peu sa fierté de mooy euh, songo nga Ousmane Sonko jéem nga ci mais c'est ça la vie il faut mu am humilité nangu loolu noonu ci kaw loolu nag man je trouve que ni jaam qui dañuy tooñ suñu borom suñu borom ubbi leen ay toujours de pardon si su démé bo waxé ci ton bi réellement réconciliation et puis mu bay un Sénégal réconcilié un Sénégal de paix il va falloir que mu au bout de sa logique et que mu oublier mu les calculs politiques pas mhm. si politique kanen ko bëgg dara na dem xéxé ni Macky Sall xéxé won pousser Macky Sall vers la faute pour nga mëna survivre yow na jël ay responsabilité mu au bout de sa logique parce que lool le Serigne si loolu la yaay boy di xaar ci mom loolu la sénégalais yépp de manière générale di xaar ci mom moy mu dem au bout de sa logique moy mu réconcilier les sénégalais de manière sincère mu def les démarches qu'il faut mu libérer les personnes yo xamni bu len libérer apaisement day am affaire day wacc mu dox si logique bobu nonou bàyyi les calculs respecter l'opposition respecter processus bi fu mu toll ñu jël les meilleures décisions bu ci dé concerté mu concerté ñim ci wara très rapidement ñu jël les meilleures décisions bu ko défé Sénégalais ce Sénégalais est capable de pardonner Sénégalais soxorul Sénégalais Khol ak Ablaye Wade qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu dès que Ablaye Wade le président fàtte nañ lépp lu leen mës a dunduloo bu ñëwee fii da ngay ndeysaan suñu maam suñu maam suñu maam dootoo di sax ko critiquer. Mm. Donc il a beaucoup fauté Sénégalais n'est pas méchant tout dépend de yow au final est-ce que tu as regretté est-ce que tu as essayé de rectifier le coup mm. est-ce que tu as fait des efforts ci nangam ak sangam loolu la ñuy xaar ci moom su demee ci si logique boobu moi je pense que. Euh, il sortira, il en sortira grand et que il aura euh, il aura euh, peut-être ben avenir bu koy xaar wala réputation bu fait fi voilà image boo xam Sénégal dernière image boobu la ñuy moi le président Macky Sall avant moi quand même il a essayé de sauver le Sénégal il a essayé de sauver d'apaiser les cœurs il a posé tel acte tel acte tel acte et il a oublié les calculs politiques et il a fait des choses à l'intérêt

Euh, tay bo waré wax un mot à l'endroit justement de ces de ces de ces détenus que bah, ça soit ñi ñi ñu libérer comme ñi fa dess di len di len massawu déjà parce que dundu nañ lu metti lo xamé ci si waruñu ko woon dundu et que tout le monde sait que ni ay ay euh, manifestants ak des gens yu ñu ramasse si mbedd yi ken waru leen yobbu am mandat de dépôt mais biñu xamé que ni bëgg nañ def du chiffre bëgg nañ wañi ab parti bëgg nañ def nangam sam nangam sàngam on a vu que ni les mandats de dépôt étaient systématiques te ku ne xam na que ni ay xale yoo jàpp ni si mbedd yóbbu leen mandat dépôt loolu mhm. yoon mënu ko nangu yaayu saa booy ñu yóbbu leen seen yaay di souffrir booy aussi nekk si kaso xamuñu luy kaso ñu téye leen fa ay étudiants laa bokkaloon kaso bi fekk naa fa ay booy yi def BFM ay mineur ñu ne ña nga fa ay nit yuñ torturé ay nit yu ñëw ñu toj seen i bopp ñëpp ñu ngi fa comprendre nga fi may waxee est-ce que mhm. donc booy yooyu noonu ah ay jambar lañ nak ñu upp ci ñom ñep wax deug doon di leen massaw di mm-hmm. mais ko ci da nga xam que ni bëgg en tout cas ñi nekkon ci combat bi waxuma nak ñeen pas dommage ñu combat bi amuñu kenn ku regret parce que une démocratie comme li 2011 2012 une démocratie lañu bëggoon ñu taxaw xex loolu candidat bu ñu ni am nañ droit faral ko mm-hmm. lañ dem dem di faral ñu amu ci kenn peine mais ci waxal dalay won kan ñun réew mi jaral nañu joxe suñu bakkan ko ci waxal mu la est-ce que diw mi ngi si jamm est-ce que projet bi mi ngi dem ñun na Sénégal na élection am rek bu élection amee lii lépp dina jeex Sénégal dina mom boppam donc booyee ay jambar lañu ils ont subi lu metté metté metté metté duñ nek fi sax di wax la les conditions des arrestations yiñ ñu gis ak ñun les tortues yi ñu boy netali ak euh, la détention euh, nu mu metté mais dañ leen rendre hommage masawu une famille mm-hmm. mais rendre hommage boy parce que pour man amis yi c'est des héros

Eh, ñëpp ñi leen taxaw woon aussi ñëw di leen taxaw di leen fekk ci kaso yi ñii di leen yónnee di leen jàppale di leen jàppale avocat yi leen taxaw gratuitement que ñëw ñëpp maa leen di rendre un hommage et di ñaan seen yaakaar yàlla buñ mu tas li taxoon ñuy xeex yàlla na aboutir ñu dem ñu mën libérer le Sénégal yëkkatiwaat démocratie Sénégal amaat nekkat état de droit incha alors alors Nitdoff ñu lay remercier justement d'avoir honoré ce rendez-vous euh, nga xamante ne c'est un rendez-vous manqué certes euh, en termes de par rapport aux élections présidentielles mais GTV a a tenu a marquer justement cette journée pour que mu bañ en tout cas mu une occasion justement de reparler de tout ce qui se passe et mhm. justement de pouvoir espérer avoir un rendez-vous bientôt di mhm. ben, merci merci si invitation bi vraiment content naa trop di ñaanal aussi euh, kër gi euh, yàlla def si barke mu y a yaatu et fépp foo vous ko séntu rek mu dem bay wees de jort euh, mais suis content content ci premiers invités yi fi mhm. et de rafetlu aussi euh, euh, concept de ngeen rendez-vous manqué 25 bi. Mhm. pour permettre Sénégalais voter voté en tout cas nous voté d'une autre manière. Mhm. <laughs> Tu man voté <laughs> merci beaucoup merci pour l'invite et ce sera un plaisir d'y revenir pour d'autres euh, d'autres euh, actualités Inch'Allah. merci beaucoup alors Abdoulaye euh, merci maman Amoun Bekterek rek plateau je aussi encore une fois donc donc engagement Sénégal mhm. donc je pense que Sénégal mérite amal donc engagement à c'est un de vous manqué, mais on a fait le maximum pour me permettre aux téléspectateurs, mais aussi les Sénégalais, nous mhm. vivre euh, la date du 25 comme nous avons fait merci beaucoup Abdoulaye c'était un plaisir de remercier Kilo pour la, pour la, disponibilité. Et, euh, vraiment, comme nous l'avons hein, c'est on voulait vraiment marquer euh, journée bi donc de ko remercier par rapport ak teewaay bi ak lépp li nga xamante partager na ak euh, ñi nga xam ñooy suñu internautes wala téléspectateurs surtout ñi suivre euh, sur le sur nos plateformes digitales que ça soit Facebook comme YouTube sur GT Sénégal c'est un réel plaisir di leen wax aussi on espère que très très bientôt ñu dof ñu dof l'artiste xaw ma l'activiste ñu dof l'artiste namu nañ ko namu nañ show of the year kooku non nga andal gaay yi nañ show of the year dañ ko yàkkamti dégg <laughs> <laughs> alors Mouguin, c'est un plaisir euh, de vous accompagner sur la magie de la télé GTV donc nous nous rendez-vous très très bientôt dans d'autres programmes mais surtout restez connectés parce que la journée du 25 février fait continuer sur la magie de la télé GTV